يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفرهم فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous برس الله سبحانه وتعالى subhanahu qui nous a permis de se retrouver cet après-midi dans cette mosquée ici al Mustaqbal pour la suite du tafsir de saint Coran. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, hier nous avons entamé le tafsir de la cinquième sourate du Saint-Coran, sourate al-Ma'id. Après l'introduction, nous avons pu faire le, premier, euh, tafsir du premier verset de cette sourate Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhortés de remplir fermement l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de lui entre nous et l'engagement que l'homme prend vers soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce verset nous a permis, nous a montré certaines nourritures qui nous sont illicites sauf celles qui nous celles qui seront énoncées par après, comme les choses illicites. Nous avons dit ça serait, Inch'Allah, une partie de ces choses-là dans le troisième verset de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit une fois que nous sommes habillés, nous nous sommes dans notre ihram, de faire la chasse. Mais une fois que l'ihram est terminé, il nous a permis de faire ce qui nous était interdit. et Allah à la fin a dit Yahkum ma yurid. Nous allons continuer avec le deuxième verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu la tuhillu sha'air Allah. أعوذ بالله من الشيطان ظاهر شو ناسي ورسي عندزا يا أيها الذين آمنوا أول إبراهيم لا تحلوا شعائر الله بكفنيكم لريت ولا الشهر الحرام دوك لريت لحج عمرة ولا الشهر الحرام لكروفاني باوسي لموا لموا ساكري ولا الهدية ni les animaux, les sacrifices, le القلاع ni les guirlandes, voilà al آمين al-haram, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée Allah subhanahu wa ta'ala يبتغون min Allah wa ridwana, cherchant de leur Seigneur la grâce et l'agrément وإذا حللتم فاصطادوا Allah subhanahu wa ta'ala dit une fois désacralisé, Fastadu, vous êtes libre de chasser. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام لا لتوك سندي إن لسيبا pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta'atadu, donc vous incitez à transgresser. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Voilà et ne vous entraînez pas dans le péché et dans la transgression. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wattaqullah et craignez Allah. Inna Allah shadid al car Allah est dur en punition. C'est des verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit La tuhillu sha'air Allah. La tuhillu, c'est des halal, c'est de rendre une chose halal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu certaines choses haram au moment où euh, on est en train de faire le, le rite des Hajj et Umrah. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu certaines choses haram lorsque nous sommes dans cette situation. Il a dit La le sha'air Allah. Donc ne rendez pas ou ne profanez pas les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sha'a'i Allah, c'est comme le disent ulama, ay c'est la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les obligations qu'il nous a prescrites. Et certaines choses, comme les, législations qu'il a obligé de suivre. Donc, Sha'ir Allah, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé qui montre sa grandeur et qui, fait, qui dirige, qui montre le signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit La tuhillu Allah. De la même manière, voilà shahr al-haram. Donc, ne rendez pas aussi le mois sacré, le mois haram, eh, pardon, le mois halal. Puisque il y a certains mois où Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré. Dans ces mois, il n'est pas permis aux musulmans de s'entrer, comment le musulman de faire le combat ou de combattre les mécréants, ou bien de faire la guerre ou de faire tout ce qui, ce qui, ce qui n'est pas bon. Ces mois-là sont les quatre mois ils sont sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ne profanez pas le mois sacré. Donc ne rendez, pas ce mois sacré, le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré. Il ne faut pas commettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas dans ces mois-là. Et ces mois-là sont quatre. Il y a trois qui, sont, qui se suivent. Et il y a un mois qui est, qui, est séparé des autres mois. Donc les trois mois qui se suivent, c'est Zul-Qidah, Zul-Hijjah et Muharram. Donc sur le mois qui possède le mois des Hajj. Zulhijja, le mois des Hajj. Et Muharram, c'est le premier mois lunaire, du calendrier lunaire. Ces trois-là se suivent. Et il y a le quatrième mois qui est Rajab. Rajab, c'est le 9e mois du mois 8e mois du calendrier lunaire. Donc avant le mois de Shaban. Ces mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus sacrés. Donc dans ces mois-là, il n'y a pas la guerre entre les musulmans et les non-musulmans, et les migrants, entre les croyants et les, les Même les Arabes, avant que l'islamique respectent ces quatre mois-là. Puisque eux-mêmes, avant l'arrivée de l'islam, ils font, euh, comment les Hajj et Umrah à leur manière. Donc, dans ces quatre mois-là, ce sont des, mois où les, gens se déplacent vers la, maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le rite des Hajj et Umrah. Donc, on doit accorder la paix à ceux-là qui quittent dans un lieu pour se rendre à la Mecque pour le rite de Hajj et Umrah. Donc, il n'y a pas la guerre dans ces quatre mois-là. Donc, le mois de Zulqida, puisque le mois de Zulqida, le mois de Zulhijja et le mois de Muharram. Donc, ces trois mois-là et le mois de Rajab qui précède le mois de Sha'ban. Donc, c'est un mois aussi que les gens se déplacent vers le lieu sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ces mois-là sont sacrés, il n'y a pas la guerre entre les ennemis, entre les musulmans et les non-musulmans. Donc, ce sont les quatre mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna iddat shahra. Donc, la tuerie, le combat ou la guerre dans ces quatre mois là sont haram, ne sont pas illicites. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran Inna iddata shuhuri indallahi ifna ashara shahra fi kitabillahi yawma ces mois s'appellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu dans le livre authentique de l'imam Bukhari de la part de Abu Bakr Taqidi Lagré a dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع Le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans le dernier hajj, dans l'unique hajj qu'il a fait, hajj al-wada, donc hajj que le prophète alayhi salatu wasalam a fait, le dernier d'ailleurs, et il n'a plus, plus fait le hajj. Donc après ce hajj, et il a rendu l'âme. On appelle ça hajj al-wada parce que le prophète alayhi salatu wasalam dans ce hajj, Tout ce qu'il disait, c'est comme il disait pour à la communauté musulmane. C'est pourquoi on appelle ça le Hajjat Donc, Allah a dit Le temps est revenu tout comme le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, isna ashar shahara. L'année compte 12 mois. Minha arba'atun Et dans ces 12, il y a 4 mois qui sont sacrés. Donc ceci montre que très certainement, ces quatre mois sont sacrés et il n'est pas permis aux musulmans de faire le combat ou de faire la guerre avec qui que ce soit. On doit respecter ça. C'est pourquoi dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit la tuhillu sha'ir Allah. Donc ne rendez pas, ne profanez pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré. Voilà shahr al-haram. Donc euh, les, risques d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà shahr al-haram, ni les mois sacrés. Donc ce sont les quatre mois sacrés cités dans le Saint-Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit respecter ces quatre mois, on doit se préserver de commettre des péchés dans ces quatre mois et surtout de combattre les ennemis dans ces quatre mois, sauf en cas d'attaque, en ce moment, les musulmans doivent, euh, comment se défendre. Voilà, Shahr al-Haram, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà al De la même manière, ni les animaux de sacrifice. Les animaux de sacrifice, ici, lorsque les gens vont à la Mecque, il y a le sacrifice qu'ils font pour le rite des Hajj et Umrah, pour le rite, surtout le rite des Hajj. Lorsque les gens tiennent leurs animaux, tiennent leurs bêtes pour se rendre à la Mecque et sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces bêtes-là sont, sont, sont, sont, sacrifiées. Donc, il ne faudrait pas qu'on atteigne ces animaux-là ces animaux là d'une mauvaise chose. Donc, voilà al-hadiya. Donc, al-hadi, c'est les animaux qu'on qu mort à la Mecque pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-hadi, c'est ça al-hadi. Voilà hadiya Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de la même manière de toucher ces bêtes-là du mal. Soit on prend ça par le vol, soit on empêche ceux-là qui détiennent ces animaux d'arriver à la Mecque pour faire ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc faire le sacrifice donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala De la même manière, il est interdit de toucher avec le mal ces bêtes, ces animaux du sacrifice. C'est de la même manière, voilà le al ce, sont toujours des animaux qu'on doit sacrifier, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette fois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a précisé al khalaï parmi ces animaux parce qu'il y a des signes qu'on place sur ces animaux-là qui montrent que dès le départ, leur destination c'est la Mecque. Donc déjà quand vous voyez ces, des animaux avec ces signes-là, ça vous montre que ces animaux-là, on les amène à la Mecque pour sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr que Al-Khalaï sont parmi des animaux, mais c'est spécifiquement ces animaux, comme, euh, les animaux qu'on porte ou qu'on met des signes qui montrent qu'ils vont à la mer pour sacrifier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, lorsque vous voyez ces gens des animaux, de les toucher. Les toucher, de les faire du mal, ou bien de voler, ou bien d'empêcher ceux-là qui détiennent ces animaux-là de les amener à l'endroit, à la mer pour sacrifier à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ne profanez, ne pas les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les rites, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé comme des sha'aï, donc des, choses qui montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le respecter. Et hein. de la même manière, les, mois sacré, ces quatre mois que nous avons cité, et les bêtes qu'on conduit pour aller sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala il ne faut pas rendre, faut pas rendre ces choses-là halal. Donc c'est haram de les toucher avec du mal. Il faut les laisser libres, arriver là où ils vont faire le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit voilà, min wa ridwan. Il ne faudrait pas aussi que les gens qui se dirigent vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudrait pas qu'on les empêche d'aller il ne faudrait pas aussi qu'on les touche de mal, il ne faudrait pas qu'on fasse de mal à ces derniers-là. Allah dit Voilà, Amin al haram. Ceux qui se dirigent vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Pour chercher de leur, de Seigneur la grâce et l'agrément. Ils cherchent la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Donc, des gens qui quittent de leur endroit, de leur domicile pour arriver à la Mecque. Une fois qu'on les, les voit sur la route vers la Mecque, vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudrait pas qu'on les barre la route, il ne faudrait pas qu'on les touche du mal, il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose qui va les empêcher d'arriver à, cet endroit dans la mer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ces choses-là sacrées. Il ne faudrait pas qu'on rende ça halal. C'est-à-dire, si on le touche, c'est une chose illicite, c'est haram, Allah subhanahu wa ta'ala interdit cela. Quelqu'un qui a l'intention de quitter, aller faire le rite, de, euh, le rite de Hajj et Umrah, une fois qu'il est sur son chemin, il est dans la paix. On ne faudrait pas qu'on le touche du mal. Voilà, Amin al bet al-Haram. Donc il va à la mer pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la même manière la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Amin al bet al-Haram. Il y a certains des musulmans de tafsir qui disent que ça là, ça ne touche que des musulmans. Les musulmans qui quittent dans leur lieu pour se rendre à la mer pour le rite Yahad On doit laisser la voie libre pour ces derniers et qu'on ne les touche pas du Certains des musulmans de tafsir ont dit donc ceux-là à qui Allah euh, s'adresse dans ce, dans ce verset, ce sont des associateurs ou des mécréants. Et ils font allusion à ce qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un qu'on appelle <coughs> quelqu'un qu'on appelle euh, euh, Al-Hatim ibn Hind. Donc ce dernier est venu auprès, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est rapporté par l'imam Al-Jarir de tabari de la part de l'imam as il dit, ce verset, Allah s'adresse à un homme du tribu de Bani Rabia. On l'appelle Al-Hatim ibn Hini. Ce dernier est venu au prophète alayhi à la Mecque. Une fois rentré chez le prophète alayhi il a dit À quoi tu appelles Il a posé la question au prophète alayhi Et le prophète a dit J'appelle à croire à Allah subhanahu wa ta'ala et que je suis le messager de Dieu. Et il dit, moi je suis quelqu'un qui a des gens que je ne peux pas faire une chose sans les consulter. Donc, si je me rends pour le site, je peux les amener. Ou quelque chose comme ça, il a dit. Une fois, il est sorti. Donc, ce n'est pas une vérité qu'il a dit au professeur Il est sorti, il n'est plus revenu. Il a pris un des chemins du Médine et retourné. L'année prochaine, il est revenu avec ses, ses marchandises, une grande marchandise à la Mecque pour vendre, pour faire le marché. Les compagnons du Professeur l'ont observé. Lorsqu'ils l'ont vu avec sa marchandise, ils ont demandé la, permission au Professeur sallallahu de le combattre et prendre tout ce qu'il a amené comme les, marchandises. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète les a interdits. Donc quiconque quitte dans son endroit pour se rendre à la Mecque, il est dans la paix il est dans la sécurité. On ne touche pas du mal. En ce moment, le verset qui interdisait les mécréants et les associateurs de s'approcher de la maison sacrée d'Allah n'est pas encore révélé. Donc tout le monde peut se rendre à la Mecque pour soit pour le marché, pour vendre et acheter, ou bien pour autre chose qu'il veut. Donc le prophète les a interdits. Et Allah a fait ce verset. ولا الهدي ولا القرائن ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا Mais beaucoup des éléments de tafsir ont préféré la première version qui disait que voilà amin al-bayt al-haram ceux qui euh, comment on appelle, prennent le chemin pour le rite des hajj umrah chercher l'agrément d'Allah c'est uniquement les musulmans, c'est uniquement les croyants. Parce que c'est eux là qui cherchent l'agrément d'Allah C'est eux qui cherchent la gloire et la grâce d'Allah En dehors des musulmans, en dehors des, des, des, des croyants, il n'y a pas des gens qui sont. Même s'ils cherchent, ils ne sont pas des musulmans. D'abord, faites musulman pour chercher ces choses-là. Donc, c'est le premier tafsir que les musulmans ont préféré. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « amin al-bayt al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim » Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, il a interdit, il a révélé le verset qui interdisait que les mécréants et les associateurs s'approchent de la maison, de la sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit les associateurs, les mécréants ne sont que des saletés. Ils sont impurs. Donc, on ne les autorise pas de s'approcher al-masjid al-haram, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala après cette année. Donc, c'est ce verset qui a abrogé voilà, Amin al bet al-Haram. Donc, les migrants qui venaient pour faire le, euh, comment, le marché à la maison au temps du Hajj et Umrah. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit une fois vous êtes désacralisé, donc vous vous êtes débarrassé de votre ihram. Nous avons montré l'ihram hier. Euh, c'est cette toile blanche que celui qui a l'intention de faire Hajj ou Umrah qui porte. Nous voyons les aladji qui portent cette toile blanche qu'on appelle ihram. Donc une fois qu'on s'est débarrassé de notre ihram, vous êtes libre maintenant de chasser. Si vous avez envie de chasser. Nous avons dit hier, une fois que vous portez ça, il nous a interdit parmi les interdits euh, de la chasse. Donc c'est interdit de chasser. Il faut se concentrer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se permet pas de faire de n'importe quoi. Une fois nous sommes dans l'Ihram. Allah subhanahu wa ta'ala dit Donc si vous êtes désacralisé, vous êtes débarrassé, vous êtes débarrassé de votre Ihram, alors vous êtes libre de chasser, donc de faire votre chasse. الله سبحانه وتعالى دين ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام Ici, Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux musulmans de rendre le mal par le mal. Il disait, voilà, et ne laissez pas la haine par, pour un peuple. Ansadoukum al-Masjid al-Haram, qui vous a, qui vous a obstrué, qui vous a interdit une fois d'aller, de se rendre à la Mecque pour le, pour le risque de Hajj ou Umrah. Donc cette haine-là ne vous pousse pas okay, à faire les interdits, à dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée d'Allah vous incitez de transgresser. Nous avons dans l'histoire de l'islam, le prophète alayhi salam, une fois, à la septième année après le hijra, le prophète alayhi a voulu faire le hajj. Et le prophète alayhi est arrivé à un endroit où les mécréants l'ont barré la route ils ont refusé d'aller faire le Hajj et le Le prophète a fait toutes les négociations possibles, ils ont refusé. Et en ce moment, le prophète Ali s'est rasé la tête, il est retourné avec ses compagnons à Médine. Donc ils ont signé un pacte avec le prophète Ali en disant que cette année, ils ne vont pas laisser le prophète de faire le Hajj. Mais l'année prochaine, ils vont revenir faire le Hajj. Donc ça fait parmi des, ils ont, ils ont, les pactes qu'ils ont signés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que cela, que cette haine-là ne pousse pas à dépasser la limite d'Allah subhanahu c'est-à-dire avoir les mécréants et faire, faire autre chose, faire du mal à ces, à mécréants-là. Bien sûr qu'ils vont, ils vous ont interdit d'aller faire le hajj et umrah. Vraiment, ça dérange ça fait du mal à un musulman, une fois qu'on le barre la route, d'aller faire le Hajj ou Umrah. Mais cette année, que cette année ne te pousse pas à traverser, à dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à rendre le coup jusqu'à dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a euh, la cause de révélation de ce verset que les éléments de tafsir, euh, comment l'appelle-t-on, rapporte. Donc cette année-là, on appelle Amr Hudaybiyah un hadith rapporté de Zayd ibn Aslam, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية Le prophète الصلاة والسلام et ses compagnons étaient dans un endroit qu'on appelle Hudaybiyah, donc entre la Mecque et Médine. Au moment, les associateurs ont, les ont empêchés d'aller faire, d'aller à la mosquée sacrée d'Allah qui est la Kaaba. ذلك Cela les a trop dérangés ça a fait du mal, ça a fait du mal, beaucoup du mal au prophète et à ses compagnons. Ils sont dans cette situation, il y a une partie des gens parmi les associateurs qui passaient. Donc, min qui venaient de l'Est. al ils voulaient aller faire aussi Umra. Faqal et les compagnons ont dit, nous allons barrer aussi la route à ces associateurs, à ces mécréants, tout comme leurs compagnons, leurs amis, euh, ou bien leurs alliés nous ont barré la route. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن haram que euh, comment appelle-t-on la haine ne vous pousse pas à faire à traverser ou bien à dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui vous ont fait ça ils sont là ceux-là ils ne vous ont rien fait ce n'est pas parce que ceux-là sont des associateurs, sont des mécréants, les autres aussi sont des mécréants. Les, les premiers mécréants vous ont empêché de faire le Hajj et Et vous aussi, vous allez empêcher les autres de faire. Non. Les autres, les, les deuxième groupe, n'a rien fait pour vous. Alors, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. C'est pourquoi Allah les a interdit de faire ça. Voilà, il يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم al المسجد الحرام أن تعتدوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonné de faire du bien et de traiter les gens avec justice en disant Allah subhanahu wa ta'ala dit entraidez-vous, il faut vous aider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété. S'il y a quelque chose qu'il faut, il faut s'entraider, il faut aider les uns les autres, c'est dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Tout ce qui est bien, on va s'aider à faire ce qui est bien. Et on va s'aider dans la piété, à craindre Allah subhanahu وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان donc ne vous entraînez pas faut pas vous aider dans le péché et dans la transgression Al-Udwan, c'est le dépassement, le dépassement de la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Qurtubi a dit, il dit, selon Al-Maurdi, Maurdi, il dit, Nadab Allah ta'ala ila ta'awun bil birri wa qaranahu bil taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala ici a excité les gens, a invité les gens à, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à s'entraider dans, dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit parce que la piété, c'est avoir la l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, C'est dans la piété qu'on gagne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil birri nas. Et c'est dans euh, l'accomplissement des bonnes œuvres hein, qu'on gagne euh, la confiance des hommes, qu'on gagne l'agrément des gens. Donc il dit Wa man jama'a bayna ridallahi wa ridan nas faqad tammat sa'adatuhu wa ammat nimatuhu. Donc quiconque mélange entre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément des gens, il a certes une euh, comment lappelle le, bienfait au complet. Quiconque veut l'agrément d'Allah et il veut l'agrément des, gens, il a fait les deux en même temps, ce, ce dernier est au top dans le bienfait et dans, dans, dans, le minimum d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit wa wa taqwa. Si il y a quelque chose qu'on doit s'entraider, on doit euh, s'encourager à faire, c'est dans l'accomplissement du bon œuvres. Il faut qu'on s'encourage, on s'aide s'il y a quelque chose de bon, on va s'encourager, on va s'aider à faire une bonne chose. Et s'il y a une chose qu'on va s'aider, on va s'encourager, il faut s'encourager dans la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la crainte d'Allah Mais s'aider, s'entraider dans l'accomplissement euh, des, mauvaises, choses, non. Dans l'accomplissement des interdits, non. Allah subhanahu wa ne veut pas ça. S'il y a quelque chose qu'on va céder, c'est dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous entraînez pas dans le péché et dans la transgression Allah dit wattaqullaha inna Allah sari'ul hisab Allah subhanahu wa ta'ala craignez Allah subhanahu wa ta'ala car Allah est dur en punition le troisième verset Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم الميتة والدم ce n'est pas lui qui a fait le bien, il a montré seulement la voie où il a aidé à faire du bien, il a aussi la récompense. Imam Muslim a rapporté de la part d'Abdullah ibn Mas'ud al-Ansari قال dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبدع بي Un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa en demandant un animal ou une bête pour continuer son chemin, puisque l'animal qu'il montait est mort. Fakal, le prophète a dit, moi, je n'ai pas un animal pour te donner, pour que tu puisses continuer ton chemin. Fakal, un homme parmi les présents, a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Ana adulluhu ala man yahbilu. Mais moi, je vais le montrer qui peut le prendre ou qui peut l'aider avec un animal pour continuer son chemin. le messager d'Allah a dit quiconque montre un bienfait, a faire un bienfait, Allah dit, et le prophète dit, il a la récompense, tout comme celui qui a, posé l'acte. C'est-à-dire, la récompense que tu auras, c'est comme si toi-même qui as fait. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'une aide toi, tu n'es pas en mesure de l'aider, Mais tu sais, quelqu'un qui peut l'aider dans ce sens. Et tu l'as amené chez la, personne. Et la personne l'a aidé. La récompense que ce dernier aura, tu aussi, toi aussi, tu auras la même récompense. Donc, sans toutefois qu'on diminue la récompense de l'autre. Tu as aidé à faire du bien. C'est ça, mandala à Dans un autre hadith, toujours avec Muslim, mais cette fois-ci avec Abu Huraira, rapporté d'Abu Huraira, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه quiconque appelle vers le droit chemin vers la droiture فله من الأجر il a de la récompense مثل أجور من تبعه tout comme la récompense de celui qui l'a suivi لا ينقص من لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا sans toutefois diminuer la récompense de, de, de, de l'un d'entre eux et qui comme aussi appelle vers la, mauvaise, la mauvaise action, donc vers la perdition. Car il a une part du péché, tout comme le péché de ceux-là qui l'ont suivi. Donc, sans toutefois diminuer le péché de l'un d'entre eux. Ça voudrait dire que quand il y a une action, une bonne action, que les gens ignorent, ou bien l'action est là, ce n'est pas une chose haram. Mais voilà, cette action est là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Voilà que toi, tu as appelé les gens à le faire, à, faire, à la faire, à faire cette action-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tout celui qui viendra faire cette action après toi, tu auras la récompense de celui qui a fait la, cette, cette action-là, sans toutefois qu'on diminue la récompense de l'autre. Par exemple, celui-là qui, dans les localités un peu éloignées, a vu qu'il y a des gens qui souffrent d'eau. Et il a vu quelqu'un qui, euh, a moyen, les moyens, qui a les moyens de faire soit un puits ou un forage. Il est allé chez ses amis, lui dire que tel quartier, de tel village ou de telle ville souffre d'eau. Si vraiment tu peux les aider à avoir du, puits ou bien du forage, ça serait une bonne chose. Ce dernier n'a pas hésité. Donc il a allé faire ce forage-là a bien le puits pour ce dernier. Donc celui qui a fait le puits, il aura la récompense. Celui qui est allé demander à l'autre ou bien exciter l'autre de faire ce puits, il a aussi la récompense. Quand les autres aussi verront que ah, faire du puits c'est une bonne chose, nous allons aussi chercher des endroits, faire des aux gens, donc suivant toujours le pas de celui-là qui a fait. Donc il aura aussi, à chaque fois que l'autre va faire, quelqu'un va faire, en le suivant, il aussi aura sa récompense. C'est ça mandat il a fait. Par exemple, quand tu enseignes à quelqu'un un verset coranique, il a appris ce verset-là grâce à toi, après la volonté d'Allah subhanahu À chaque fois qu'il lit ce verset, s'il il aura par exemple 10 récompenses, toi qui l'as appris, ce verset, tu auras aussi 10 récompenses. Ça sois diminué dans les 10 récompenses de ce dernier. Si ce dernier a appris à une autre personne aussi, quand l'autre va lire, donc ils sont deux maintenant. Quand l'autre va lire, et quand le premier aura 10, le deuxième aura 10, toi tu es là, tu auras aussi 20 récompenses. Quand le deuxième va apprendre à la troisième, la deuxième va apprendre à la troisième personne, ils sont au nombre de trois. Donc maintenant, quand les trois vont lire le même verset, ils auront 10, 10, ça fait 30. Toi, tu es assis, tu as 30 récompenses. Toi, le premier qui avait montré ce bien-là à l'autre. Donc c'est comme ça le fait. Et ainsi de suite. C'est de la même manière, quand tu apprends à faire du mal, il y a un péché que les gens ont ignoré. Et c'est toi qui es venu renouveler ce péché péchés-là. Et les gens ont commencer par faire ce péché-là. C'est de la même manière, quand la première personne qui va faire à cause de toi, le psy aura par exemple cinq péchés, on va, on va te donner une commission. Il a cinq péchés, on te donne aussi cinq péchés. Quand le deuxième va faire, va voir l'autre en train de faire, il a copié. Donc, quand les deux vont faire 5, 5, ça fait 10, tu auras aussi 10. Et ainsi de suite, même après ta mort. C'est comme ça. Donc, celui qui a montré la bonne voie, après sa mort, la récompense continue, ça va le suivre dans sa tombe. Celui qui a aussi montré la perdition, la mauvaise voie, c'est après sa mort aussi, les péchés vont le suivre. C'est pourquoi il ne sert à rien de faire des péchés. Il ne sert à rien de réveiller ou de ramener des péchés que les gens ont oubliés. Donc, c'est dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété. Donc ne vous entraînez pas dans le péché et dans la transgression. Donc Allah subhanahu wa ta'ala après ça il dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير jusqu'à le dernier, jusqu'à la fin du verset. Un long verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Nous avons vu hier, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit On nous a permis un certain nombre de nourriture, et ce qui sera interdit viendra après. Ça sera énoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam une révélation. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit La bête morte sans égorger ou bien sans immoler vous est interdite. La consommation de la viande morte sans immoler, c'est une interruption, c'est une chose, une viande haram. Même si la bête est une bête illicite, c'est halal pour un, musulman. Mais une fois que la bête meurt comme ça, sans immoler, la viande, la chair de cette bête-là devient haram. Allah dit al Donc tout animal qui est, qui est mort sans, sans avoir immolé ou égorgé c'est haram. Et si les humains ont dit, à travers ces versions coraniques, ils sont tous unanimes pour dire que tout animal, toute, bête qui est morte, c'est haram. Donc, mais il y a une exception dans des, animaux qui meurent sans avoir égorgé. L'exception c'est à samak wal-Jarat c'est le poisson et le criquet. D'ailleurs, ces animaux, euh, on ne les, on, les immole même pas. On ne les immole pas. Si on trouve par exemple un poisson au bord d'une rivière mort, on prend, on mange sans problème. On trouve un criquet mort, on prend, on mange sans problème. En dehors de ces deux animaux, on ne mange pas. La si c'est mort, sans, sans, sans immoler, on ne mange pas, c'est haram. Al-Imam Bukhari et Muslim ont rapporté un hadith de la part d'Ibn Abi Awfa qui dit nous avons, accompli, nous avons fait sept batailles, sept combats avec les mécréants. Dans ces batailles-là, on mangeait des critiques. Toujours dans le même sens, cette fois-ci avec le hadith de Jabir ibn Abdullah, إن البحر ألقى حوتا ميتا فأكل منه الجيش فلما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعمونا منه إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء منه تجور avec بخاري ومسلم Muslim de la part Diable disait, dans l'un de leurs voyages, ils ont trouvé un poisson au bord de la mer, un poisson mort, comme ça. Lorsqu'ils sont arrivés au prophète sallallahu ils ont raconté ça au prophète sallallahu alayhi Nous avons vu un poisson mort au bord de la mer et nous avons pris manger. Le prophète a dit mangez-en bien, parce que c'est une richesse, c'est une nourriture qu'Allah a fait sortir de la mer pour vous. Mais si vous avez réservé une partie de ce poisson, donnez-nous nous aussi, nous allons manger. Certains ont coupé une partie de ce poisson, ils ont donné au prophète Ce qui montre que, mis à part le poisson et le criquet, tout ce qui meurt en islam sans passer par, euh, comment répétons, égorge, euh, sans, sans, sans, être égorgé, c'est haram. On ne mange pas. Donc, voilà. un autre hadith de la part de Umar, que dit la a dit Le prophète a dit on nous a permis, on nous a rendu licite de deux choses mortes, deux choses mortes Wadamani deux 200, puisque le sang, le sang qui coule, c'est haram, comme nous allons voir, comme le, verset même va, le verset même va donner, et euh, comme on va mentionner dans le, dans le verset. Donc, le sang, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la chose morte, la bête morte, sauf deux choses mortes. Mais Tatani, c'est as Illanana al Allah a rendu le site deux choses mortes pour nous. Et ces deux choses mortes, c'est Assam c'est le poisson et le briquet. Donc voilà la première des choses qu'Allah a interdit dans ce verset. Al-Maïta. Al-Maïta, c'est l'animal qui meurt sans être égorgé. La deuxième chose interdite par l'islam dans ce verset, c'est Adam, le sang. Donc le sang, c'est quoi Le sang qui coule comme l'a comme souligné le verset hein, le sang qui coule par exemple lorsque vous immolez une bête le sang qui coule de cette bête vous allez amener une bassine ou un gobelet pour, pour, prendre ce sang là avec le sang là vous allez préparer le sang ou bien arranger le sang pour manger les arabes autant des Jahiliya autant temps pré-islamique ils faisaient ça lorsqu'ils immolent une bête ils prennent le, ils prennent le sang ils arrangent le sang là et il mange ça. Lorsque l'islam est arrivé, l'islam a interdit la consommation de ces sangs-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Waddam. Donc on a interdit le sang. Le sang, il y a exception aussi dans ce, dans ce, dans ce sens. C'est le hadith que nous venons de, de citer. Parmi les sangs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, a permis aux musulmans de manger, c'est le foie puisque c'est au juste, ah, comment répète-on, c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et ce n'est pas un sang qui coule, c'est quelque chose coaguleux comme ça, Allah a créé. Ici, ce n'est pas interdit, on peut consommer aucun problème. Donc Allah dit, Allah a interdit aussi de consommer le sang. Donc, il dit, jahiliya ja'alunahu fil maïs, wa Les gens du pré-islamique, les Arabes avant l'arrivée de l'islam, ils prennent ce sang-là, ils arrangent bien le sang et ils mangent bien ce sang-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit lorsque l'islam, lorsque l'islam est arrivé. La troisième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce, dans ce verset, la chair du corps, la viande du corps haram. Donc al-maita, c'est qui est mort sans égorger. Wa al-maitata wa dam, le sang, wa lahm al-khizir. La chair du porc le porc tout entier est haram pour un musulman. Il ne devrait pas en profiter de quoi que ce soit dans, sa créature. C'est haram. Donc voilà le khizir, la, la chair du porc c'est haram. Et hurrimat de la même manière, euh, comme nous avons dit la semaine passée, si on interdit quelque chose en islam, une viande a dit un animal, il faudrait qu'on sache que tout ce qui est dans cet animal-là est haram la viande, la graisse, les os, tout ce qui est dedans, c'est haram. La peau, la laine, tout c'est haram. Sauf que du côté de l'imam Shafi et les autres, ils voient qu'il n'y a pas de problème lorsque c'est quelque chose haram, même si c'est haram, mais si on peut purifier la peau par exemple et en profiter, il n'y a pas de problème. Le prophète a dit dans les hadiths qu'Imam Bukhari et Muslim ont rapporté Allah a interdit l'avance de, de, de, de, l'alcool. Ici, il faut en profiter pour dire, pas seulement l'alcool, mais tout ce qui va, euh, comment lappelle on euh, déranger la mémoire des quelqu'un. Tout ce qui va saouler un être humain ou un musulman que ce soit, comment lappelle t on l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit, je ne sais pas, la drogue de toutes ces, toutes ces sortes, euh, comment, des différentes sortes. Et aujourd'hui, il y a un commerce qui donne l'argent. Ça donne l'argent aux fidèles musulmans. un sachent que c'est haram, mais un sachent que. Euh, bon, ils ne savent pas, ils ne savent pas. De toutes les façons, c'est haram. Tramon, il y a des gens qui vendent des travaux, c'est ça Et c'est un musulman qui va prendre ça. Il prend une quantité pour euh, être, je ne sais pas, au-delà de sa force. Hein, pour du matin jusqu'au soir sans sentir la, fatigue. Et d'ailleurs, ça les saoule. ils sortent de sa conscience, ils perdent la conscience. Parce qu'il la pris ses comprimés. Une fois que tu sais, ce que tu vends et les gens prennent ça, ils prennent, ça, ils, achètent, ils prennent, ils prennent leur conscience. Il faut savoir que c'est du haram. Si tu ne sais pas, il faut le savoir dès maintenant. Et l'argent que tu vas prendre pour manger, pour bouffer, ça devient haram. Donc, l'alcool, sous l'alcool, tout ce qui va rendre un homme musulman saoul, ou bien tout ce qui va le faire perdre sa conscience, c'est haram. Donc Allah, a dit Inna a interdit la vente de l'alcool et tout ce qui est sous l'alcool. Il a interdit aussi la vente d'un animal mort sans être égorgé. Et ça, Al-Maïta, comme nous avons, nous avons, euh, nous avons, parlé tout de suite. Toi un musulman, tu vois un animal mort, tu vas prendre, aller vendre ça pour un homme musulman C'est haram. Parce que chez eux, il n'y a pas les interdits. Même si c'est mort, comme ça, ils peuvent manger. Ça fait leur problème. Mais quand ta religion t'interdit de manger, de consommer la chair de cette viande, de cet animal, mort sans être égorgé. Ou bien il y a certains des, des, des, gens qui sont intelligents, qui voient ça, ils meurent comme ça, ils vont égorger. pour dire que est mal, la, la, bête est malade, elle est malade, ou l'animal est malade, l'animal euh, voulait mourir, il a égorgé, il il, va, il, va, il va ça. C'est du haram. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'étais sorti pour acheter la viande, je voulais préparer. J'ai acheté une viande. C'était vers 9h du matin, comme ça. J'ai acheté une viande, revenir euh, à l'université. J'ai gardé la viande, disant qu'après la paix de jour, je vais revenir Paris. Mais après la prière, la des eaux, quand j'ouvre le sachet de la viande, tous ceux qui étaient dans la chambre ont fui la chambre. Oui, mais comment se fait-il qu'une viande que tu vas acheter à 9h du matin, 3 heures après, et la viande devient, je ne sais pas, l'odeur, qu'on ne peut même pas supporter. Mais quand je suis sorti, j'ai demandé, pourquoi Or, j'avais l'habitude de faire ça. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi cette fois-ci Et quelqu'un m'a attiré, mon, attention, mon attention. Ah, attention. Où tu avais acheté ça, j'ai montré ça. Ah, attention. Il faut faire attention. Quand tu vas pour acheter la viande là-bas, il y a souvent, souvent, ils il vendent la viande des bêtes mortes. Et sûrement, c'est une bête morte. Et chez un musulman. C'est chez un musulman qu'il achète. ça. Et qu'est-ce que vous allez gagner en vendant une bête morte si tu ne gagnes pas de l'argent de ce qui est ce n'est pas dans ce qui est illicite que tu vas gagner de l'argent. Si tu ne gagnes pas le bonheur de ce qui est halal, tu ne gagneras jamais le bonheur de ce qui est haram. C'est comme ça. Donc Allah a interdit ça. Le prophète dit, Allah a interdit la vente de, la roquette, la vente de, de, de, la chair, de l'animal mort, mort et al-khizir. Il a interdit la vente de, de comment on appelle de, de porc, que ce soit vivant ou mort c'est haram. Voilà, aslam, et Allah subhanahu wa a interdit la vente des idoles. Des idoles, c'est le commerce de certains musulmans. Ici, on voit ça, on voit ça peu. Quand vous allez vers le sud, vous allez voir, c'est une boutique, c'est un magasin où quelqu'un va, euh, je ne sais pas, faire des étagères, placer des statues de toutes sortes d'animaux, ou bien des, des, individus, ou bien la tête, des choses comme ça. Il vend des statues. C'est haram. Il y a certains qui font ça, ils savent, ils savent bien que c'est haram, mais ils le font. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Faqila ya Rasulallah. Et les compagnons ont demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant au messager d'Allah, Ara'aita, شهوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدنها وتدهن بها الجلود ويستصبح به الناس فقال لا هو حرام Le prophète alayhi salam lorsqu'on a demandé, oui, Tout ce que tu viens de citer, ce sont des choses haram, on ne vend pas, on ne mange pas. Et il y a des fois on utilise la graisse de ces animaux-là dans des peintures pour, peinturer, comment on les, bateaux ou les pirogues. Donc dans leur temps, ils utilisent la, graisse de ces choses-là pour mélanger avec la peinture et peinturer la graisse, pardon, peinturer les, les bateaux ou les pirogues. Et le prophète alayhi salam a dit c'est haram dans toutes les façons, dans tous les cas. Une fois que ces choses-là sont haram, la vente est haram, donc on ne peut en aucun cas utiliser une partie de ces choses-là pour autre chose. Il dit haram. Le prophète alayhi salam a dit قاتل الله اليهود الله سبحانه وتعالى مودي للجيف إن الله لما حرم شهومها حملوه Le prophète Ali a dit Allah a maudit, a maudit les, les, Juifs. Lorsqu'Allah les a interdit la graisse nous avons tout ça à la fin du soir de ça. Allah les a interdit de consommer la graisse des animaux, de certains des animaux. Allah lorsqu'il les a interdit ça, le prophète Ali a dit il a dit ils ont, ils ont, ils ont arrangé ça. Ils ont rendu ça très joli. Bien, Faba'uha. Et ils ont vendu cette graisse-là ils ont mangé l'argent de cette graisse Lorsqu'on interdit la bête, on interdit quelque chose, donc on ne vend pas cette chose-là pour manger l'argent. C'est la troisième chose. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la vente de, la chair du corps et la, le corps aussi. Allah dit Et c'est sur quoi Allah a évoqué un autre nom que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, lors de l'immolation, on a appelé le nom de quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si l'animal est halal, mais au moment de, l'immolation, on a appelé le nom d'une autre personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bête est haram. Par exemple, c'est un bœuf ou bien c'est un mouton que nous voulons immoler. Celui qui va immoler a appelé le nom d'un djinn, par exemple avant d'immoler. Donc cette bête-là, même si c'est halal, mais une fois qu'on a immolé au nom d'une personne ou d'une créature en dehors d'Allah, alors la chair de cet, animal a devient illicite. C'est ça, au moment où Tout ce qu'on a immolé, on a appelé le nom de quelqu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la bête est haram pour, pour les musulmans. Donc on ne va pas consommer cette viande-là. Et nous savons très bien nous savons très bien qu'il y a des musulmans qui font ce genre de pratique. Il a besoin de quelque chose, il va chez un charlatan, on lui demande d'immoler, par exemple, un coq noir, un coq blanc, dit on lui donne un animal avec une couleur bien définie. Pardon, une couleur bien définie. Vas-y immoler cette chose-là au nom de telle, chose. Donc il va, il immole cette chose-là, donc au nom du djinn qui euh, va lui rendre service. Le sang, c'est pour donner l'utile. Donc cette bête qu'on a immolée, au nom de quelqu'un, on ne mange pas. C'est ça, Omar Ovilla, le là Et sur quoi on a évoqué un autre nom que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, Allah dit Wal Il est aussi également interdit de consommer la viande d'une bête étouffée. Soit elle a été étouffée par une personne par elle-même. Était en train, la bête est en train de, de, de manger, les herbes, elle vient à un, endroit, elle place la tête et ne peut plus sortir. La tête est calée et à un moment donné, elle manque de respiration, elle meurt. Donc cette bête est haram, on ne mange pas. Donc ça revient au premier, au premier verset, al donc la, bête morte. Ou bien c'est quelqu'un qui a euh, mis la corde dans le cou il a serré le, il a serré le cou d'une manière où elle a, elle a étouffé. Donc la respiration est coupée et à un moment donné, elle est morte. Cette bête, même si c'est halal, une bête, une bête qu'Allah a permis aux gens, mais voir la manière dont la bête a été morte, Allah nous a interdit de, consommer la chair de cette bête. Donc c'est ça, Donc il nous a interdit de consommer la, bête, la, viande des bêtes étouffées. Hein. On va s'arrêter ici. Donc, la, cinquième interdiction, Inch'Allah, nous allons continuer avec les autres interdictions de ce verset. On s'arrête ici, Inch'Allah, et demain nous allons continuer. Oui. Peut-être de qui ce que Oui. oui. Ça fait partie aussi. Oui. Ça fait partie. Puisque c'est liquide, vous voyez la petite quantité qu'on met dans une grande quantité d'eau. Et on vend ça, les gens boivent ça. Ah, on appelle ça awenku. Mais lorsque vous allez prendre le liquide même sans mélanger, le liquide même sans mélanger, le verre d'ataya que vous à taille là dans nos là quand vous mettez ça, sans mélanger avec de l'eau, vous buvez. Je vous dis que vous n'allez pas subir après 30 minutes. Oui, n'essayez pas. Quand vous allez ça, prendre ça pur, sans mélanger avec de l'eau, vers la terre comme ça, vous prenez ça, on va prendre seulement votre corps. C'est quelque chose de très dangereux, plus dangereux même que porte C'est comme ça. Si on amène un bidon ici, de ce, de ce, comment on appelle de ce, à là, on ferme les fenêtres et les portes, on ouvre ici là, on ne peut pas résister ici. C'est vrai. Mais les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Ah, c'est haram. Ça donne de l'argent. Et c'est haram. Une petite quantité comme ça, tu vas ramasser des millions. Mais à quoi ça sert de ramasser l'argent Allah Oui. Oui. Oui, oui. Bon, c'est vrai que la sourate, on n'a pas terminé la métaphysique de, cette sourate. Il y a le verset qui vient après, ça va nous donner, le verset va nous donner, euh, comment le euh, Il va nous parler de toutes ces choses-là. La chasse, quand vous allez à la chasse, ok, vous avez, vous voyez un animal que peut-être que vous ne pouvez pas l'attraper, euh, vous avez peut-être votre outil que vous lancez, ça touche l'animal. Ça tue l'animal. Et avant de lancer, vous dites là vous lancez quand ça touche l'animal. Et si c'est la partie où il y a des choses, la chose tranchante, ça a touché, vous mangez. Mais si c'est le, bâton qui a touché, par exemple, ou bien le, truc que vous avez collé, euh, votre, votre âme, ça a touché, ça, ça a tué, ça, vous ne mangez pas. À moins que vous trouviez la chose en vie, elle est fatiguée, là, vous, vous Inch'Allah, nous allons donner des détails dans ce même verset sans qu'on ne sait pas parler et le verset qui vient, sans parler du tout ça Inch'Allah. Donc il ne faudrait pas qu'on se précipite. Même quand c'est la chasse, vous jetez, même si c'est avec une arme. Donc quand vous dites Bismillah, vous lancez, vous, vous, vous, euh, comment vous, vous tirez avec Bismillah sans toucher la, bête. Arrivez, avant de prendre la bête, vous, si vous voyez la bête encore en vie, vous immolez. Mais si vous arrivez, vous voyez que est, elle déjà morte, vous ne mangez aucun problème c'est la chasse avec le chien, tout ça là, ça va venir, Inch'Allah. Qu'Allah nous assister Inch'Allah, demain, on, continue avec ces euh, nourritures interdites par l'islam. Inch'Allah.